Alfayda c'est la référence. mbokk gori góor yi mbokk yu jigéen yi nu bokk xam ne dëkk bi di Madina dëkku barke la waaye dëkku xam-xam la dëkku bañ lu bon la itam ndax ki ko sanc bañ moo taxoon mu ñëw sanc ko loola duma ca tellu duma ca dellu ca histoire ba waaye dama bëgg wax ne Cheikh Ibrahima moomu nag waxal nañu lu bari ci yonent bi bind na ci lu bari bàyyee ko waxal nañu bari ci askanu boppam bind ko it bàyyee waaye du tere ma wax nag ne ngeen dégluwaat ma yéenoo yéenoo alfayda bég naa ci ñoom man su ma yeewoo subaay alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information y leer gis-gis bu leer uh-huh, waaw waaw waaw Alfayda 90 point 1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal. Alfayda FM rajo bi ci tund mu Saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen bari mbokk yu góor yi mbokk yi jigéen yi nu bokk xam ne dëkk bi di Madina dëkku barke la waaye dëkku xam-xam la dëkku bañ lu bon la itam ndax ki ko sanc bañ moo taxoon mu ñëw sanc ko loola duma ca tellu duma ca dellu ca histoire ba waaye dama bëgg wax ne Cheikh Ibrahima moomu nag waxal nañu lu bari ci yonent bi bind na ci lu bari bàyyee ñu ko waxal nañu bari ci askanu boppam bind ko it bàyyee ñu waaye du tere ma wax nag ne ngeen déglu wat ma. Alfayda c'est la référence. Alfayda FM 90.1. 90.1 Alfaïda FM la référence en direct du studio moment Momar Alilou www.radioalfaida.net sur l'international. Merci de rester en notre compagnie. Le journal, tout de suite, les titres. Rappel adieu hier lundi à Paris du président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, le chef de l'État Macky Sall au nom de toute la nation, a tenu à rendre hommage depuis New York à un érudit de l'islam. Le défunt était âgé d'environ 90 ans. Face à la charité du coût de la vie au Sénégal, une politique de relance économique prônée par un acteur qui invite l'État à la diminution des taxes. Boubacar Edouard Traoré que vous entendrez dans ce JP. Depuis puis de Matarba à la tête du ministère des Sports à Kaulak. Cette décision n'est pas au goût de certains acteurs. Vous les entendrez également. Au courant de ce JP dont le sommaire se résume ainsi à la technique Moussakan. Dans la deuxième partie, vous suivrez la revue de la presse, la page internationale, celle euh, sportive Restez avec nous. Tout de suite, le développement. Le journal Nefa Toussissé. L'agriculture, la campagne de collecte des graines d'arachide se prépare activement au niveau de la Sonacos déclarée à Touba et à Lussi, de la cérémonie officielle du Magal DG Moudou Fada qui n'a pas manqué de revenir sur l'importance de l'arachide en question dans le secteur agricole sénégalais. Nous sommes en train de préparer activement la campagne de collecte des graines d'arachide. Comme vous le savez, l'arachide est la principale source de revenus de nos compatriotes euh, paysans, de nos compatriotes agriculteurs. Euh, c'est euh, l'arachide est importante pour l'économie de notre pays et c'est la raison pour laquelle chaque année nous recevons des instructions de la part du chef de l'État, le président Macky Sall, pour qu'on puisse nous, en tant que Sonacos, qui assurons la commercialisation de l'arachide, nous déployer, nous mettre en contact avec nos bailleurs de fonds pour que ces bailleurs de fonds puissent nous apporter leur assistance nécessaire pour mobiliser les montants nécessaires à la campagne de collecte de l'arachide. L'année dernière, nous avions emprunté 40 millions d'euros, ce qui nous avait permis de mener à bien la campagne de collecte de l'année dernière, bien entendu avec l'appui de certaines banques euh, partenaires locales. Mais cette année, nous avons pris les devants. Nous avons sollicité et obtenu 80 millions d'euros, donc le double de ce que nous avions obtenu l'année dernière. Et Inch'Allah, donc pour la Sonacos, la Sonacos elle est prête pour euh, aller en bonne euh, campagne de collecte de l'arachide et nous espérons que le prix producteur sera aussi important que, l'année dernière ou plus, mais ce n'est pas notre domaine, c'est le domaine du Seigneur, donc le comité interprofessionnel, qui va se réunir le moment venu pour faire une proposition au gouvernement euh, qui le validera pour qu'on puisse connaître le prix aux producteurs. Euh, à Touba des propos recueillis par notre correspondant Mamadou Mustapha Mbaye. Retour à Kaulak où le secrétaire général des paysans se prononce sur le changement intervenu au niveau du ministère de l'Agriculture, sans mettre l'accent sur l'urgence de développer le secteur Chertidian Sissé, que nous écoutons justement avec Cher Babacar Dien. En tant que des hommes de terrain, de par l'expérience qu'on a sur euh, l'agriculture, nous nous focalisons plus sur des problèmes de personnes. Notre problème, c'est que, pour te parler vrai, nous pensons plus à la structuration de l'agriculture que euh, des problèmes de personnes. Parce que, comme vous le savez, je pense que l'agriculture a certains piliers qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour avoir une agriculture forte. Et ces piliers, c'est quoi C'est d'abord l'ISRA, la recherche, qui est vraiment au point de départ. Il y a aussi la DPV, qui est une structure qui se charge de protéger les semis et ensuite les véritables acteurs. Donc, je pense que c'est à ce titre que on doit penser pour pouvoir développer l'agriculture. Et pour ce qui est de l'ISRA, je pense que c'est une structure technique qui se charge des semences de très bonne qualité et des semences qui sont adaptées au changement climatique. Et à ce titre, peut-être, c'est à partir de ces semences-là qu'on peut multiplier pour avoir le capital semencier. Donc, à juste titre, je pense qu'il faut capaciter l'ISRA pour que ce travail-là puisse se faire. Mais aussi, en ce qui concerne la DPV, je pense que aussi, il faut les doter de moyens roulants et des produits pour pouvoir protéger les semis. Parce que comme vous le savez, à part des semis, il y a beaucoup d'attaques et que par contre, si vraiment il n'y a pas une structure qui est habilitée à protéger ces semis, ces insectes qui sont imprévus des fois, peuvent venir et faire des dégâts au niveau des semis. Pour ce qui est aussi des producteurs, je pense qu'il faut les protéger en les donnant de très bonnes semences, mais aussi des intrants, grande quantité pour qu'en fin de compte, s'ils vont au finish, aux récoltes, ils pourront avoir des quantités suffisantes pour la marche du pays, mais aussi pour l'exportation, pour faire entrer des devises. Donc moi, je pense que c'est à ce titre que moi, en tant que producteur, je pense à l'état actuel. Peut-être auparavant, j'avais à mettre des griefs sur tel, tel, tel, tel, mais tel n'est plus le cas. Moi, je suis maintenant un homme de force de proposition. Donc, c'est ça mon état d'esprit. Mon état d'esprit à Kaulak si Sissé, à l'instant, il est donc le secrétaire général des paysans. Alin le nouveau ministre de l'Agriculture, interpelle et interpellé sur le renforcement des semences et de l'engrais par la Fédération des femmes rurales du Sénégal en atteste ses propos de sa présidente, Adjan Lindor. Nous accueillons Monsieur euh, le ministre Alin Ndiaye à bras ouverts. pour le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, l'ancien ministre, on lui souhaite bon vent et une bonne réussite là où il va atterrir. Parce que vraiment, il nous avait aidé lui aussi. Peut-être que ça ne suffisait pas. Nous avait aidé en semences, euh, arachides et engrais. Ce que nous lui avions demandé, c'est de nous octroyer des semoirs et des tracteurs. Et il nous avait promis. Mais nous demandons à Alingou dès qu'il arrive et qu'il prenne service, qu'il aide le monde surtout les femmes de monde Nous n'avons pas de semoirs, pas assez de semoirs. On loue des semoirs. Pour les tracteurs aussi, on nous les loue. Donc, ce que le ministre Moussa Baldé nous avait promis, on demande à Alingou de nous aider à avoir cela, des tracteurs et des semoirs. Pour les semences aussi, quand nous arrivons dans l'hivernage, nous lui demandons aussi de nous Renforcer Parce que la Fédération des femmes rencontre 302 000 membres, répartis dans tout le Sénégal, les 14 régions et les 46 départements, surtout les villages les plus reculés. Donc, et ce qu'on nous donne, on les distribue à tous nos membres. Parce que la fédération est mixte maintenant. Il y a des hommes qui sont là, il y a des jeunes qui sont là dans la fédération. Donc, ce que nous demandons au ministre Alungé c'est de nous renforcer en semences, arachides, niébé et autres variétés. Nous lui demandons aussi de nous aider en engrais, de renforcer l'engrais parce que l'engrais coûte cher. Euh, surtout nous, les femmes, nous n'avons aucun partenaire que l'État. Seul l'État est notre partenaire parce que c'est le président Macky Sall qui est notre président de la République. C'est le président Macky Sall qui est notre partenaire. Donc il faut qu'on nous renforce pour que le Sénégal aille de l'avant. Parce que seule l'agriculture peut développer le Sénégal. Il faut, je vais demander au président Macky Sall de mettre 100 milliards dans l'agriculture. Si ces 100 milliards ont été mis dans l'agriculture, les grandes puissances vivaient de l'agriculture. Maintenant, toutes ces grandes puissances ont chuté. Donc il faut que le Sénégal renforce le budget du ministère de l'Agriculture pour que nous relevons le défi de la pandémie et surtout de la guerre de l'Ukraine et de la on avait demandé au gouvernement de fixer le prix de l'agriculture à 500 francs. On n'y revient pas. Le ministre est un nouveau ministre, mais c'est un agriculteur, c'est un paysan comme nous. Donc nous lui demandons de demander à l'État, surtout au président de la République, de fixer le prix de l'arachide à 500 francs pour nous permettre de nous nourrir et de nourrir nos enfants. Nos enfants, Adja Ndjungbaï Lindor, la présidente de la Fédération des femmes rurales du Sénégal, et puis en point de presse, les proches de l'ancien président du conseil départemental de Kaulak ont appelé. Le chef de l'État a accordé, je cite, plus d'attention à leur leader Ali Diallo. Portez leur parole, suivons-le. Bon, les raisons sont simples. Hein. C'est d'abord euh, après la nomination, après l'installation du nouveau gouvernement, nous aussi, nous avons suivi avec intérêt, comme tous les Sénégalais, la formation du nouveau gouvernement. Nous nous réjouissons, réjouissons du choix porté par le président de la République. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la région de Kaolack bénéficie d'un quota de cinq ministres, parmi lesquels figure Madame le ministre Maria Massar, à qui nous souhaitons plein succès. Nous prions également pour que l'équipe gouvernementale mise sur pied puisse atteindre les objectifs fixés par le chef de nous réitérons notre ancrage dans le Bénin et sollicitons auprès du président de la République plus d'attention pour notre leader, le président Babanyaï. Ce dernier n'a jamais rien demandé. Il s'est toujours évertué à accompagner la politique du chef de l'État et cela lui a valu plusieurs distinctions lors de son passage comme président au conseil départemental de Kaolack. Il a également respecté tous les choix du président Macky Sall et s'est donné corps et âme pour la victoire de Benno dans le département de Kaolack à côté de son ami et frère, le DG de la Sénat Pape malgré les innombrables obstacles qui s'étaient dressés devant eux. Kaolack reste et demeure une ville politique de labyrinthe et ce n'est que par une organisation et une unité sans combine que les défis pourront être relevés. Vive le président Baba vive le Bénon, vive la région de Kaolack. La région de Kaolak à l'instant, donc Ali Diallo, Matar Ba destitué à la tête du département des sports suite à la mise en place d'un nouveau gouvernement samedi. À Kaulaka, cette mesure n'est pas au goût de certains sportifs, n'est-ce pas, cher Tidiane après le remaniement ministériel qui a eu lieu le samedi dernier, Yankoba Djatra remplace Matarba à la tête du ministère des Sports, une situation qui n'est pas du goût de certains sportifs de Kaulaka. Mamkor Faye est le président du CRG de lutte de Kaulaka. En fait, euh, c'est la surprise. On a été surpris de voir euh, Matar, un des meilleurs ministres quand même du gouvernement sortant, quitter l'attelage gouvernemental. Ça a été une véritable surprise et je dois dire que sur 100 Sénégalais, les 95% n'ont pas apprécié de manière positive le fait de le voir quitter le gouvernement. Parce que en termes de résultats, objectivement, je ne peux pas dire que c'est le meilleur ministre des Sports, mais en tout cas, il fait partie des meilleurs ministres des Sports. Il nous a ramené la Coupe d'Afrique des Nations. De manière globale, il maîtrise le milieu, il gère bien les structures et c'est quelqu'un du Serail. c'est pourquoi son départ a été une véritable surprise pour tout le monde. Les nominations dépendent du président de la République. La Constitution lui en donne les prérogatives. C'est seulement regrettable qu'il n'ait pas quelque part entendu la clameur de la rue, parce que la clameur de la rue voudrait que Matar reste au gouvernement. Le président du comité régional des gestions de lutte invite le nouveau ministre à suivre les pas du ministre des Sports sortant. Le nouveau ministre Matan n'attendons pas de lui qu'il fasse moins que Matar, c'est-à-dire qu'il soit dans la gestion du sport quelqu'un qui est très à l'écoute, y a le sens de l'écoute qui a également le sens de l'inclusion. Dans le domaine du sport, faire de l'inclusion, c'est travailler à faire participer tout le monde à la prise de décision finale. Ça a été une démarche de Matar et nous pensons fondamentalement que Yanko Badiatara, s'il veut réussir dans le domaine du sport, qui je rappelle est un domaine extrêmement complexe, doit suivre les pas de Matar. Il doit copier son exemple, être à l'écoute des sportifs, avoir également un esprit d'anticipation par rapport aux problèmes parce que le sport sénégalais n'est que problème. Dans ses propos, Mamkor il revient aussi sur l'Assemblée générale du CNG de lutte prévue le mois d'octobre prochain. Toutefois, le président du CRG de Kaulak invite le nouveau ministre des Sports, Yankoba Diatara, à reconduire l'actuel président Birassen à la tête du Comité national des gestions de lutte du Sénégal. Du Sénégal, Tidiane Diagne, président de l'ODECAV Kaulak, Insa Diouf se prononce également sur le changement intervenu au niveau du poste ministériel des Sports avec le départ donc de Matarba le ministre de Sport, M. Matarba, est remplacé par un autre. Nous, en tant que sportifs, d'abord, en premier lieu, la question que nous posons est simple. Ce que nous avons retenu du gars est que, un certain moment, nous n'avons pas assisté à certaines divergences majeures entre les sportifs. En un mot, c'était un rassembleur. Il avait pu réussir à imposer ou bien à faire l'unité au sein des différents acteurs. Mieux que ça, nous avons assisté durant ces dernières années les performances notées au niveau des équipes nationales, U20, équipe nationales, seniors et autres, et que nous avons remporté pas mal de trophées. Même s'il n'est pas l'acteur principal, nous pouvons dire que c'est sous son règne qu'on a bénéficié de ces récompenses-là. Donc c'est quelqu'un qui porte bonheur au mouvement sportif. Mais si aujourd'hui le président de la qui je peux dire entre guillemets qui est au secret des dieux, qui maîtrise tout, parvient à faire ce choix, donc il nous sera très difficile de comprendre le pourquoi. Parce que être ministre diriger un ministère, ça engorge pas mal de choses sur le plan gestion, sur le plan management et autres. Peut-être il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et dans les jours à venir, peut-être nous serons édifiés de ce sort. Mais tout ce qu'on peut dire par rapport à la situation est que Matarba était un parmi nous. Donc nous aimerions à ce qu'il continue cette mission. Nous, on a constaté quelques résultats sur le plan national et sur le plan récompense, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a d'autres problèmes qui restaient. Donc le problème de l'appui de l'encadrement au niveau des équipes de base, comme les équipes nationales, comme les équipes régionales et autres. Donc il y avait un très grand travail qui restait à se faire. Nous ne maîtrisons pas le pourquoi de cet état de fait. Mais tout ce que nous pouvons dire est que vraiment il portait bonheur à notre équipe. Et nous souhaitons que celui qui va venir va suivre ses pas dans ce sens et faire de sorte que le sport aille en avant. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi Quel que soit l'homme qui sera à la tête de ce ministère, qu'il prenne les préoccupations des sportifs en général. Les des en général, c'est pas seulement le football. Il y a la lutte, il y a il y a le basket, il y a le handball et autres. Donc je crois que c'est ça qui est l'essentiel dans tout ça. Dans tout ça, Insa Diouf et euh, à l'instar de la lutte et du football, le basket ne tarit pas d'éloges à l'endroit du désormais ancien ministre des Sports Matarba. Dans ce midi et au micro de Cherti Diagne, écoutons à présent le président Bab Karniaï de la Ligue de basket Kaulak. J'ai eu à vraiment cheminer avec lui au moment où on était membre du comité de la Fédération sénégalaise de basket en 2014. 2019 euh, aussi, on a cheminé ensemble à l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de basket, Il y a une personne euh, qui a de l'écoute déjà, le sens de l'écoute, qui s'est engagé pour que le basket, surtout vis-à-vis des sorties de l'équipe nationale, fille et et il mettait corps et âme pour avoir une bonne réussite. Quoi. Même au niveau des organisations des fenêtres de basket en 2019 et 2014 même, euh, la période, vraiment on a eu à organiser aussi les fenêtres au niveau de Dakar, Arena euh, Dakar. Et si vraiment on reste un jour, on dit que vraiment c'est fini pour sa mission, donc ça fait mal. D'autant plus qu'il a vraiment tout fait pour que le basket ou bien le sport euh, aille de l'avant, comme on a vu. Et il a même encore la baraka qu'on a eu en quart de finale des U19 de basket. Et on a eu aussi à participer à la Coupe du Monde des U19 de basket en Grèce. Et parmi ceux, je faisais partie des fédéraux encore. Peut-être qu'il n'est plus ministre, mais il va continuer à faire des actions, à cheminer pour que vraiment vive le sport. D'autant plus qu'il a été sportif. Moi, j'ai parvenu à avoir euh, une de ses photos au moment où il il était arbitre. jusqu'à être ministre des Sports, ça a été un travail. Bon, il faudra être en contact direct avec la population, surtout sportive, pour en savoir euh, plus les accompagner sur leurs vœux. Et d'autant plus qu'avoir encore l'écoute des acteurs, des responsables, des présidents de fédération, des coachs, des administratifs, pour que vraiment avoir une bonne réussite euh, ou bien une continuité de ce que faisait le ministre Matarba pour pouvoir euh, atteindre ses projets. Babacar euh, Ndiaye euh, Matarba, destitué à la tête du ministère des Sports à deux mois de Qatar euh, des acteurs ivoiriens. Une grosse erreur de la part du chef de l'État à ce propos. Suivant l'analyse du journaliste sportif Youssouf Mani, il est ici au téléphone avec Alun Badara Diop. Je pense qu'elle a commis une grosse erreur. C'était vraiment une erreur fatale et monumentale. Déjà, c'est que le Sénégal a actuellement comme problème au niveau de la sélection nationale. Je pensais que ça suffisait largement. Vendredi, on était avec Sissi pour la publication de la liste du Sénégal, mais pratiquement, il n'y a que les nouvelles têtes qui arrivent. Pratiquement sept nouvelles têtes, parce que même Aliou l'a dit, j'ai pas de choix. Aujourd'hui, les titulaires, les champions d'Afrique, la majorité, malheureusement, soit ils sont blessés, soit ils sont sur le banc, soit ils n'ont pas de club. Euh, euh, Jao avant-hier, il est suspendu, il n'ira pas au mondial. Aujourd'hui, aussi, ce n'a pas encore les clubs. Ganagé, Abdou Diallo, les Parisiens ont été contraints de quitter pour aller d'autres. Ghana à Everton, Abdou Diallo à Leipzig en Allemagne. Il ne joue pas pratiquement. Pop Gay ou encore Bambadien également à Marseille a été également contraint de quitter pour aller à Nice. Là aussi, c'est pas vraiment ça. Sadio Mané qu'on a vu depuis maintenant ces deux, trois derniers mois, c'est pas le Sadio Mané qu'on connaît il n'est pas en forme malheureusement. Après, c'est très compliqué vraiment, c'est beaucoup de paramètres aujourd'hui. Macky Sall également vient pour augmenter la dose avec également le changement de Matarba au poste de ministre. Donc, euh, Yanko Bagatara à deux mois, est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour maîtriser vraiment tous les paramètres de l'organisation de la participation du Sénégal à cette Coupe du Monde Je pense que vraiment Macky, il a commis une erreur monumentale concernant le poste du ministre des Sports. Je ne dis pas que je suis pas d'accord à ce qu'on ne le change pas, mais peut-être euh, il est là, il nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations, une première l'histoire du Sénégal. Mais pourquoi pas laisser à deux mois de la Coupe du Monde, après le mondial, le changer s'il faut. Matar, il n'est pas mauvais non plus. Moi, je pense d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs ministres dans l'histoire du Sénégal, en tout cas son poste de sport. Donc, euh, Macky Sall, vraiment, il fait dans le tâtonnement. Voilà, moi, mon avis. Il fait dans le tâtonnement. Il ne sait pas réellement ce qu'il veut et ce qu'il fait. L'actualité régionale, nationale et internationale, c'est sur Alpha FM 90.1. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence 90.13 www.radiolfeide.net et nous émettons depuis l'immeuble cher Imam Hassan c'est dans la cité religieuse de Medina Bay en direct du studio moment euh, à Et je vous le disais tantôt, une explosion des prix qui n'épargne personne au Sénégal après la mise en place d'un nouveau gouvernement. L'économiste Boubacar Edouard Traoré prône une application de la politique de relance économique, suivant le dans ce reportage de Noabiaye. La cherté de la vie préoccupe les Sénégalais, les prix des denrées et autres matériaux nécessaires pour la vie et la survie survie des populations connaissent une inflation incomprise et insupportable. Face à cette situation, le nouveau gouvernement est appelé à appliquer une politique de relance économique d'après Boubacar Edouard Traoré, économiste de formation. Si nous voulons gagner, l'État doit appliquer une politique de relance. La politique de relance, c'est une politique qui va permettre à l'État du Sénégal d'injecter des fonds dans le système économique, mais également de réduire certaines taxes, mais également de permettre aux entreprises de pouvoir produire rapidement pour étouffer euh, l'inflation et ce qui va permettre à une baisse des prix. Parce qu'actuellement, nous avons une inflation. Certes, l'inflation est mondiale parce que c'est une crise qui vient de l'extérieur avec euh, les conséquences de la COVID-19, mais également la guerre entre Russie et euh, Ukraine. Ce dernier a aussi sollicité le gouvernement à alléger son train de vie et augmenter la production agricole agricole. Avec le nouveau gouvernement, si on veut s'en sortir, l'État doit réduire d'abord le train de vie de l'État, augmenter également la production. Cependant, il exhorte le président de la République, gardien de la cohésion sociale, de prendre en compte toutes les questions relatives à la survie des populations. Nous bien euh, réduire la tension à l'Assemblée nationale pour instaurer un dialogue qui serait propice à un changement très attendu aujourd'hui par les populations. À ce propos, suivons donc les orientations de Boubacar Edouard Traoré. L'autre point que l'État doit faire également, faire de telle sorte que la tension qui existe en Assemblée nationale, cette tension puisse également être vraiment réduite et qu'on part sur euh, le dialogue, sur le consensus sur un certain nombre de dossiers. Depuis un bon bout de temps, nous assistons à des présentations de chiffres et quand il y a vérification, on voit que ça ne marche pas du tout. C'est le cas des inondations, c'est le cas quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, l'atelier mondial, la Chine qui ne produit pas beaucoup en ce temps-ci. Donc tous ces aléas-là font de telle sorte qu'il y a des manquements dans beaucoup de pays et que les prix grimpent. Mais et quand on dit réduire les trains de vie de l'État, c'est-à-dire que tous les avantages que l'État souvent a l'habitude de mettre sur place, que ces avantages soient éliminés, réduire les taxes et injecter des fonds dans certains programmes de développement. En dehors de cela, l'État également peut faire de telle sorte que les prix baissent pour que la population puissent avoir accès aux achats des denrées de première nécessité. À l'instant, l'économiste Boubacar Edouard euh, Traoré qui était donc au micro de Noabiaï. La hausse généralisée des prix au Sénégal qui n'épargne pas le secteur de la cimenterie. À que le coordonnateur du Forum civil appelle entre autres à la réduction des taxes mais aussi à la diminution du train de vie de l'État. Par rapport à l'augmentation du ciment, nous nous disons qu'il est inacceptable aujourd'hui que les populations puissent encore connaître une autre hausse parce que déjà le coût de la vie est très cher. Donc aujourd'hui, il est urgent que l'État puisse voir avec les cimenteries afin de réduire les taxes induites pour l'État du Sénégal et de porter sur lui la charge de l'augmentation. C'est important parce que nous savons bel et bien qu'aujourd'hui, on a un État budgétivore et que nous avons des institutions dont les Sénégalais ne jugent pas par exemple, je veux parler du Conseil économique euh, et environnemental, je veux parler du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui sont des institutions budgétivores, mais aussi des agences en appli finir. On a plusieurs agences et que c'est des agences budgétivores, mais aussi le budget des nations, comme euh, la présidente de la République, comme euh, l'Assemblée nationale. Donc, et là, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit revoir son train de vie, essayer de réduire le train de vie de l'État. Mais c'est une volonté politique. On ne peut pas vraiment laisser les populations à la merci des industriels et des commerçants. Aujourd'hui, les populations du Sénégal souffrent. Le coût de la vie est devenu très cher et insupportable même. Malgré que maintenant il y a eu des augmentations de salaire par par-là, mais cela, on comprend tous que un salaire au Sénégal prend un salaire au-delà de la famille du fonctionnaire, mais tous ses parents. Donc moi, je pense qu'il urge aujourd'hui, au niveau de l'État du Sénégal, qu'il veille vraiment diminuer et drastiquement de l'État. Abdoukarim Sadji, le coordonnateur régional du Forum civil. Et de Kaulak, nous voilà à Ziguinchor, où le ciment se fait de plus en plus rare dans les magasins. Une pénurie qui impacte négativement sur les activités des ouvriers, des consommateurs, entre autres les autorités étatiques interpellées sur place. Le reportage de notre correspondant Mohamed Sanya. Le manque de ciment s'accentue de plus en plus à Ziguinchor. Ce produit est indispensable à la construction de bâtiments est presque introuvable dans les magasins. Depuis le début de l'hivernage, nous peinons à avoir beaucoup de stocks de ciment. Auparavant, on réceptionnait 5 camions dans le mois mais maintenant, pour avoir deux camions, c'est tout à fait un problème. Et cela ralentit notre vente. Tous les matériaux de construction, comme le fer, sont là stockés, faute de ciment. Et cela ne nous arrange pas. Ce jeune qui s'active dans la livraison du ciment se dit inquiet par cette situation. Ses activités sont bloquées. Retire là, ça veut dire souffrir avec nous. Quoi. Nous, on est fatigué, on n'a pas de l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu payes pas les loyers. C'est trop quoi. deux mois ou trois mois, on ne travaille pas. Les conducteurs de mototaxis sont aussi impactés par ce manque de ciment. Ils peinent même à assurer le versement quotidien. Ces temps-ci, nos activités sont au ralenti. Le manque de ciment en est la cause. Nous peinons à assurer nos versements quotidiens et c'est compliqué. Les travaux de plusieurs chantiers sont au ralenti. Certains responsables pointent du doigt les commerçants. Bon, ça pourra bloquer que les sentiers. Mais les commerçants aussi, il ne faut pas cacher le ciment en disant que oui, le ciment est manqué pour augmenter le prix. C'est pas bien. D'autres estiment que les autorités du pays doivent mettre en place des stratégies pour valoriser nos cimenteries. Bon, me comprendre quoi. Nous avons trois cimenteries. Ciment manque quoi au Sénégal, bah, très cher. Le Sénégal a trois usines de ciment. Et comment comprendre cette pénurie de ciment Il y a un manque de volonté de l'État. C'est vrai qu'il y a une crise mondiale, mais l'État devrait proposer des solutions ...pour les consommateurs. ce n'est pas normal. ce n'est pas normal que ciment mouille manque au Sénégal. En attendant que des solutions soient trouvées, les consommateurs continuent de souffrir avec acuité. Ziguinchor Mohamed Sagnan, Al-Faïda FM. Actualité internationale. Pour la page internationale de ce JP qui porte dans la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement hier dimanche dans les rues de la capitale Niamey pour protester notamment contre la force anti-djihadiste française Barkhane. Les manifestants ont ensuite tenu un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel et notamment au Niger, un des principaux alliés de Paris après leur retrait total du Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré dimanche que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet n'étaient pas des mercenaires, contredisant les accusations de Bamako dans une interview avec des médias français. Ce ne sont pas des mercenaires et c'est évident, a-t-il déclaré. À cette occasion, il recevra la délégation du Mali. Il faut résoudre ce problème, a-t-il déclaré. Monsieur Guterres recevra la délégation du Mali qui prendra part à la l'Assemblée générale de l'ONU qui débute aujourd'hui à New York. Au Gabon, Guzouba Ndama, ex-président de l'Assemblée nationale et chef d'un parti d'opposition, a été arrêté samedi à la frontière en rentrant du Congo avec trois valises remplies de billets représentant près de 2 millions d'euros, a-t-on appris dimanche de sources judiciaires. Son arrestation survient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023 pour laquelle il fait figure de potentiel candidat. Actualité. Au Cameroun, cinq prêtres catholiques, une religieuse et deux fidèles ont été kidnappés par des inconnus qui ont incendié une église vendredi dans l'ouest du pays en proie à une guerre sanglante entre les désindépendantistes indépendantistes anglophones et l'armée, a annoncé dimanche l'église catholique. Les évêques de la région assurent que le kidnapping de vendredi est complètement sans précédent dans son ampleur. L'attaque les enlèvements n'ont pas été revendiqués. Actualité. internationale. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane, a rendu hommage ce matin au lors des funérailles d'Elisabeth II à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth et à son caractère joyeux. Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées ont fait le déplacement à Londres pour les funérailles d'État de la reine Elisabeth II, dont le président américain Joe Biden et son épouse Jill. La Russie n'a pas été invité. Le président américain Joe Biden a affirmé que les États-Unis défendraient Taïwan si l'île venait à être envahie par la Chine dans un rare entretien accordé à la chaîne CBS. Par ailleurs, sur le plan politique, M. Biden n'a pas encore décidé s'il serait candidat à sa réélection en 2024, a-t-il affirmé. Plus vieux président ou plus jamais élu aux États-Unis, Joe Biden fêtera ses 80 ans le 20 novembre. actualité Le Kremlin a qualifié ce lundi de mensonge les informations sur la découverte de centaines de corps et d'une fosse commune à Izium dans l'est de l'Ukraine après le retrait des forces russes de la région. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 440 tombes et une fosse commune ont été retrouvées la semaine dernière près d'Izium au milieu d'une forêt de en visière de cette ville reprise par les forces de Kiev et à celle de Moscou. Actualité internationale. L'actualité sportive. 12 heures bientôt passées de 32 minutes temps universel de la baie vitrée en studio. La page sportive de ce JP, une signature donc de Moussakana. Bonjour NF bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football à Kaolak Laïs Saloma. Le vice-président chargé de la communication au niveau de la Ligue régionale, Moustapha Ndiaye, est revenu sur les tests qui ont été organisés par euh, Laïs Saloma. Moustapha Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de la radio Al-Faïda. Nous venons de terminer une semaine de tests qui s'est déroulée en deux phases. Une première phase de 4 jours et une deuxième de trois jour. Euh, c'était d'abord pour permettre aux footballeurs de Kaolack et des autres régions d'avoir la possibilité d'être détectés pour faire partie du groupe de l'ASC Salom cette année. Vous voyez que, contrairement aux années précédentes, cette année, nous avons très tôt pris les devants pour être compétitifs dans le marché des transferts. Maintenant, c'est terminé depuis hier, dimanche, parce que bientôt, l'équipe va entrer en phase hivernale, parce que la saison va démarrer plus tôt que possible cette année, déjà avec la Coupe ACCT et le championnat national amateur 1, le 22 euh, octobre 2022, euh, dans un mois et quelques jours tout de même. Nous n'avons pas fermé la porte à d'autres joueurs qui souhaiteraient euh, être sous les couleurs de l'AC Saloum et qui répondront aux normes et aux besoins du club et de l'entraîneur. Équipe nationale Habib Diallo remplace Diao de Keita. L'attaquant de 27 ans sera finalement présent. se fera une mise à jour de sa liste. Moussa était touché à Lichio. L'attaquant Ismaël Sarr souffre à la cheville. Youssouf Sabeli souffre d'une blessure Musculaire. musculaires. Finalement, c'est Noan Fadiga qui s'est ajouté à la liste des blessés. Ligue des champions africains, les autres qualifiés pour le second tour. Il s'agit d'Al Ahly d'Égypte, Espérance de la Tunisie, Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud, Raja du Maroc, Tout-Puissant Mazambé de la RDC, Widat Club du Maroc, Roya AC de la Guinée. Le deuxième tour débutera le 7 au 9 octobre prochain. Amical Brésil-Ghana à guichet fermé le 27 septembre. Tite a fait appel à 26 joueurs parmi lesquels figure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 La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce mardi que nous ouvrons avec Réumi Quotidien qui revient ce matin sur le rappel à Dieu de l'imam Mustafa Gueye euh, qui tire sa révérence et écrit la publication. El Hajj Mustafa Gueye n'est plus regrette Li quotidien. Décès du président des imams et oulémas du Sénégal à la une de l'observateur, la dernière remission de El Hajj Mustafa Gueye. Et puis dans le même journal, les secrets d'une vie consacrée à l'islam et sa rencontre avec Baïnias euh, justice procès en appel dans l'affaire Ndiaga 10 ans et 9 mois après. Barre toujours son avenir politique, titre Vox Populi, qui parle d'un délibéré de tous les dangers demain. Et poursuivant, le journal d'indiquer qu'en écharpe demain, tous les députés de Yewi Askanui comptent envahir euh, le palais de justice. Affaire tournure après l'avis euh, défavorable du parquet. Le juge d'instruction rejette la demande de liberté provisoire du mis en cause, titre source qui parle dans sa parution du jour des raisons invoquées. Le juge suit le parquet, si reste en prison, renchérit Libération qui met en exergue ce matin les révélations sur les scandales qui secouent le consulat de France à Dakar où une mafia interne s'activait dans le trafic de visas, renseigne toujours le journal. Curiosité, nouveau gouvernement sénégalais enquête centrée ce matin à l'énigme. Ismaël Majorfal, pendant ce temps à la une de l'évidence, Maria Massar eh, Antassar Mariam Badian, eh, Zahra Iantiam, Fatou djani et le journal de titre, je cite, Maki cherche une bonne femme, eh, entre guillemets, face à la menace du président, les députés de Yewiaskanui, en ordre de bataille, le titre par la une du journal Le Mandat. Et puis s'intéressant ce mardi à la feuille de route du gouvernement, le quotidien met le focus sur le coût du combat avec la gestion entre autres des inondations, la cherté du coût de la vie et l'ouverture des classes qui se profile à l'horizon. Alpha FM 90.1 Et voilà que c'est ici que se referme ce JP à la technique euh, Moussakan. Tout de suite, le rappel des titres. Rappel à Dieu hier lundi à Paris du président de l'Association des imams et oulémas du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall, au nom de toute la nation, a tenu à rendre hommage depuis New York à un érudit de l'islam, le défunt était âgé d'environ 90 ans. Face à la cherté du coût de la vie au Sénégal, une politique de relance économique prônée par un acteur qui invite l'État à la diminution des taxes. Boubacar Edouard Traoré que vous avez entendu dans ce journal. La destitution de Matarba à la tête du ministère des Sports à Kaulak. Cette décision n'est pas au goût de certains acteurs, vous les avez entendus. Également au courant de ce JP dont le sommaire se résumait ainsi 13 heures la rédaction. Vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela et ce sera donc avec Ngoni Yairen. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi. Et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefa Toussissé. al c'est la référence.